loi n'est que préparer une résolution pour mise en place commission d'enquête parlementaire sur le contrôle des parrainages concernant le rejet de la candidature de Karim Maïsawad. la conférence des présidents, Djoklen, ils se sont réunis, ils ont préparé la résolution, voté en commission des lois, djegel ko plénière. Donc, sous la plénière qui est souveraine, va statuer. Est-ce qu'on va mettre en place une commission d'enquête parlementaire, oui ou non mm-hmm. Si nous mettrions en place une commission d'enquête parlementaire composée de 11 personnes, au prorata des, groupes parlementaires présents à l'Assemblée nationale, mhm. ils vont commencer leur travail. Mhm. Donc ils vont convoquer, c'est ce que dit l'article 44, mhm. toute personne utile à la manifestation de l'information. Toute personne utile. Elle n'exclut personne. Personne mais procédure assemblée vous assemblée convoquez juge. parce parle de la séparation des pouvoirs. la séparation il faut qu'on fasse attention. l'exécutif mm. et le parlementaire sont séparés pourtant l'exécutif convoque les ministres tous les jours. Mm-hmm. Uh-huh. il est écrit dans le règlement intérieur. que le parlement peut convoquer les ministres tous les jours. tous les jours donc vous n'irez c'est pas parce que c'est des juges que l'Assemblée nous l'aime convoquer assemblée nous convoque convoquer n'importe qui. Mm-hmm. maintenant. Le, la commission d'enquête parlementaire, ce mhm. n'est ni la police, ni mhm. un juge d'instruction. Ils n'ont pas des pouvoirs de police, donc ils ne peuvent pas mënuñu Wen, loxo kenn ne ko da ngay par mhm. force hein. L'ol Doudou Wade doon na ko xeex ci euh, maa commission d'enquête parlementaire bi amoon sur l'avion présidentiel quand il avait convoqué Abdelaziz Coulibaly mu donc il avait demandé à ce qu'on introduise dans notre règlement intérieur une clause qui dit que ne pas répondre à une commission d'enquête parlementaire, c'est comme refuser de répondre à un juge. Parce qu'effectivement, uh-huh. on ne peut pas mettre en place une commission d'enquête parlementaire et laisser aux citoyens la latitude de répondre ou pas. Uh-huh. Mais en tout état de cause, toutes les personnes concernées peuvent être convoquées par l'Assemblée. Uh -huh. Que nous que nous la procédure va continuer. Uh-huh. Tout à fait. Maintenant, si on convoque le demandeur, en l'occurrence le groupe parlementaire Liberté, Démocratie et Changement, ils apporteront les éléments de preuve. De preuve. Donc c'est en ce moment-là. C'est en ce moment-là. Que les parce que nous en public, c'est normal. Je pense que dañuy xaar ñu mm. convoqué les ñu ñëw indi seen preuves. preuve. tout à fait bu preuve commission bi def liggéeyam def rapport. Mm. bu ñu defee rapport. jox ko jagleel ko ñu leen dénkoon liggéey bi bureau assemblée nationale mais fàttali le rapport d'une commission d'enquête parlementaire est exclusivement destinée au bureau de l'Assemblée nationale. ça Ce n'est pas un rapport public. Le bureau. Et, ça, ça, prend combien de temps pour qu'on Sénégal, d'habitude, 15 jours, Moudière. 15 jours. 15-20 jours, Moudière. Normalement, ils ont un délai de 6 mois. Oui, délai de 6 mois. Article 48, délai Ils ont un délai de 6 mois. Au-delà de 6 mois, la, la, commission doit être dissoute. Mais généralement, 15 jours. Ça parce se une semaine, une semaine d'audition, une semaine, nous talk euh, rapport bi, jaglel ko euh, Alors, bureau. non, dans ce Juste pour terminer, oui. pardon. Allez. Vous bureau bi, à partir de ce moment, le bureau décide dans une séance plénière, mhm. est-ce qu'on va publier partiellement, mhm. totalement ou pas du tout, C'est le bureau qui décide. Non, ah, c'est l'Assemblée. C'est la plénière. Le bureau ne décide jamais. Mhm. C'est la plénière qui va décider. Est-ce qu'on publie partiellement, totalement ou, ou du tout Du tout. Et maintenant, si l'Assemblée décide de ne pas publier du tout, toute personne qui aura diffusé une information concernant cette commission d'enquête parlementaire sera, poursuivie, par l'article 363 du Code pénal. Mm-hmm. Donc ça, c'est très clair. Donc, procédure mais c'est une procédure normale. amul ci moi je pense pas que. Mhm. on soit dans une crise institutionnelle. mais nous, dit ciy dégg ñu une assemblée où il y tabbi une commission d'enquête parlementaire parlant euh, d'accusations présumées jëm ci juges de corruption Mais nous, avons mel ni euh, bëgg jël institution qui ci mel assemblée euh, bëgg ko xam le pouvoir judiciaire au détriment du pouvoir législatif. Comme l'Assemblée nationale c'est la deuxième institution du pays après le président président de la République. Hum. Ça, tout le monde est d'accord sur ça. Hein? Hum. Le député, c'est le représentant du peuple sénégalais. Hum, c'est ça. Hein? Et ce sont des députés qui ont vu que Dara dans la marche du pays, ils vont demander des informations. Ils en ont le droit. Loi Molen Kopay. Et nous sommes loi Molen Tunk. Vous faites une loi qui est l'île de Def. Vous avez ce problème. ni nga koy réglé bu la nexé nga jaar ci yoon bobu donc il ne faut pas que les gens s'offusquent, que parce que c'est le pouvoir judiciaire, etc. C'est vrai, l'article 88 de notre Constitution dit clairement mm-hmm. que le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Dans le dîner, article 93 euh, le, juge constitutionnel ne peut être poursuivi que sur autorisation du conseil mais il enquête enquête poursuivi la euh, donc l'enquête est possible hum. ah, alors aujourd'hui le juge cher Ndiaye dépose une plainte contre X auprès du procureur euh, au moment où peut-être il y une information judiciaire est-ce que dafay la commission d'enquête parlementaire absolument dès que l'information judiciaire est ouverte la commission d'enquête parlementaire sur la même question. si c'est sur la même question. les chefs d'accusation euh, et moi mu tout yu si c'est sur la même question. ça c'est le procureur qui apprécie. Mm-hmm. il a il a il a déposé une plainte auprès du procureur. Mm-hmm. le procureur va apprécier. Mm-hmm. s'il ouvre une information judiciaire sur la même question automatiquement la commission d'enquête parlementaire est suspendue et dissoute alors bu ko ubbi woon suba suba suba du am commission d'enquête peut-être bu ñu bu ñu génnee tuuti dinañ dugg si waat ci assemblée nationale. Mhm. en tant qu'acteur politique également ancien député nag nga gisee euh, accusation yi nga xam le PDS teg na ko ci kaw deux juges du conseil constitutionnel par rapport ak euh, li ñu li ñu jàpp ne moom la doxalee ci dossier bu Karim Wade. moi je pense que c'est c'est c'est une accusation très grave hein je pense que ku amul preuve du ko wax je pense c'est une accusation d'une gravité extrême maintenant. Euh, je connais personnellement le juge Cheikh Je sais que c'est quelqu'un qui a eu 50 ans de carrière dans la magistrature je ne, je ne suis pas bon je suis pas là pour donner mes sentiments hein. mm-hmm. euh, je, dois faire une analyse objective mais connaissant la personne je ne suis pas sûr qu'il soit versé dans ces choses là au delà de ça au delà de ça euh, il est important de comprendre que quand, il y quand, une personne se sent lésée, il peut, poursuivre, il peut utiliser les moyens légaux que la loi lui donne. Et ça, je le concède au PDS. Je pense qu'ils sont dans le droit. Maintenant, ce sont des accusations d'une gravité extrême. Si c'est avéré, si c'est avéré, ça peut conduire effectivement justement à une crise institutionnelle. Si ce n'est pas avéré, mm-hmm. ça peut aussi conduire à une situation catastrophique pour, un parti politique de la dimension du PDS qui mm-hmm. représente quand même le socle de la lutte démocratique et des libertés dans ce pays. Donc, dans tous les cas, crise li et comment on nga gisee le soutien des députés de la coalition Benno Bokk tu ci député du parti démocratique du Sénégal. oui bon ils n'ont pas fait de soutien. ils n'ont pas fait de soutien. Uh-huh. ils n'ont pas ah, fait de soutien on peut le voir comme un soutien. on peut le voir comme un soutien. mais ils euh, c'est vrai que ils sont députés ils représentent le peuple. mais assemblée nationale li tamal. on n'a jamais vu ça assemblée nationale li ñu wax le normal oui oui normal. bien sûr parce que sénégalais interroger parce que l'interrogation ce n'est pas seulement le mais nous, parce que en fait. à l'Assemblée nationale. des députés d'accord personnellement personnellement mais normal. maintenant un député il est quand même du même camp que Amadouba. Mm. Amadouba accusé aujourd'hui mm. de corrompre des juges. Mm. et puis député Bobo. Ben non. ko mais ne kuy joxe yat le PDS pour que mu Amadouba. personnellement ça m'a choqué parce que. et pourquoi. l'expérience que j'ai de mon passage à l'Assemblée nationale c'est que quand l'opposition dit oui le pouvoir dit non. quand le pouvoir dit oui. voilà c'est ce qu'on essaie d'expliquer. c'est ce qu'on a toujours eu. on n'a pas l'habitude. maintenant quand j'ai euh, entendu. Euh, parce que quand, j'ai entendu dire qu'il va y avoir une commission d'enquête, le PDS va demander l'ouverture d'une commission, la mise en place d'une commission, d'enquête parlementaire, mhm. d'amener à ah, bu et dina parce que vu la configuration actuelle du bureau et comme nuits voté mhm. je ne pense pas que mu quand j'ai vu que les députés de Benno et Akar ont voté pour je pense que c'est quasiment à l'unanimité que lañ mhm. donc ça m'a beaucoup étonné j'ai commencé à me poser des questions j'ai commencé à faire des analyses j'ai commencé Bob mhm. je pense qu'il y a deux problèmes mhm. le PDS est en train de régler son propre problème Ben Bokk est en train de régler son propre problème parce que parce que je pense que si le PDS accuse Amadouba et que le Bokk qui a comme candidat Amadouba, euh, vient étayer la chose ça veut dire qu'ils ne veulent pas de tu ne peux pas avoir un candidat et l'affaiblir dans, le cadre d'une commission d'enquête parlementaire. C'est c'est lecture politique qu'on peut en faire. Hein? C'est ma lecture politique. Maintenant, euh, c'est vrai ou c'est faux. Mhm. Mais en tout cas, euh, nous concevoir que ngeen bokk ben, ben, ben, ben camp mhm. candidat bi a campagne électorale dans trois jours Nous, les dugal ci ay commission d'enquête parlementaire mhm très bien man alors foofu peut être Mayoro. bëggoon bëggoon naa bëggoon naa terminer par rapport xam naa Mayoro bu ñuy ñëw ci politique comme moom bëggul prononcé wu <laughs> ci dem assemblée nationale. mais là son mot a dit hein, par rapport ak bëggul prononcé wu ci dem. mais <laughs> li ma si wax doyu <laughs> non relancement. ma. ma maa ngi ñëwaat mais aujourd'hui ah. euh, euh, ñu ngi ñu ngi indiwaat beneen débat di wax motion de censure. Mm-hmm. est ce qu'il est déjà possible aujourd'hui ci étape bi ñu toll nii pour que ñu dugal motion de censure. tant que nekkul ñu signé woon premier bi mun nañu motion de censure motion de censure li ñu Terre qui une session ni signé une motion de censure mënuñ signé une motion de censure dans la même session mais vous faites que n'y député hmm. indi motion de censure la chute du gouvernement qui va organiser l'élection <laughs> la chute du gouvernement parce que c'est vrai que c'est la chute nga xam hmm. euh, il faut que les gens fassent attention hmm. au début moi, il pour a une crise institutionnelle pour le moment mais vous nañ fa yegg il y a beaucoup de configurations. yu y a def ñu yegg ci loolu mhm. te crise institutionnelle la seule pour moi la seule voie que le président de la République va prendre, c'est la convocation de l'article 52 de la mhm. Constitution. Pouvoir exceptionnel. C'est ça, oui. moom lay convoqué <laughs> alors dinañ ñëwaat ci lool mais Mayoro avant avant muy ñëw ci ci ci sur le plan euh, gis-gis fii ci jàppale gi bon ñun noonu lañ ko mën a waxee ah wala soutien par rapport ak député Benno yi ci ci parti démocratique sénégalais pour cette mais est-ce que soutien la euh, député yi député wu Sénégal lañu mm-hmm. processus bi itam processus wu république du Sénégal la tout à fait jafe-jafe bi man dama jàpp ne man bu ma amee ku ma jege mu am lu ñuy jiiñaate ca moom mu wóor ko ne moom taqewu ci laalewu ci ñu leral ko daf ci baax. mais bari na bala ngay dem bari na bala ñuy dem mais bari na bari na lu soxal Sénégalais yi. may ma ma développé rek non foofu laa bëgg ma na lu soxal Sénégalais yi. te pourtant dafa diviser l'assemblée nationale. mais loolu dafay wax njariñu Sénégalais yi la mais taxul. PDS ak Benno Bokk Yaakaar am le même langage sur plusieurs questions. à la assemblée nationale xam nga loolu euh, malheureusement man ak euh, Théodore ñun ñëpp nekk ñu assemblée nationale. Mm-hmm. loolu xëy na bu député yi ñëwoon ñoom ñi nga xam ne ñoo dugal kii yi ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk ci Benno Bokk Yaakaar di ay député xëy na daañu mën a tontu si loolu parce que ñun nous ne vivons pas le quotidien de ah, yaa ngi xam le waaw ñi nga xam li ñu mën a xam mais la ca assemblée waa assemblée rek ñoo ko mën a xam réellement mm-hmm. ak nan la dundee nan lañ mais man li ma concerné tey mooy lii aalikala ji man ci laa bëgg a wax mm-hmm. man daal tooñ nañ ma mm-hmm. néewal nañ ma doole yooxu naa wallu am na ñu ñëw wallu ma ci loolu lay liggéey. Hmm. l'essentiel du ma ci def lu jaaduwul duma ci wax lu jaaduwul duma ci bañ a respecté yoon dama ciy topp yoon ba lu ma am jël ndax jàpp naa ne dañ ma tooñ ci wér na ma am naa certitude ko dañ ma tooñ maintenant. Hmm. leneen luy xewaat dégg naa ngay wax ay motion de censure ak yooyu. yooyu ñun vraiment ñun. nekkul suñu corde. d'accord waxtaanee wuñu ko yëguñu ko dégguñu ko ca proposé wuñu ko. Hmm. kon ñu nekk ñu ci combat. nit ak nit parce que dañu dégg ci dañu nekk ci Alassane Sall bi bi ngeen tuumaloon ne moom Macky Sall ñoo nekk nekk ñu ñun ci combat wu Amadou ñun ci combat principe la ñu nekk waaw mais dañu ne APR ak PDS dafa mel ni ñoo bëgg lëkkaloo pour kan moo wax loolu élection présidentielle kii wax loolu adversaire u PDS la ak APR mais mm. combat de personnes yi nekk ngeen ci depuis le début Karim Wade ak Thierno Alassane Thierno Alassane Amadou Ba mo nek ci ginnaawam. ensuite Amadou Ba mom mo mom mo corrompre. mais vous êtes quand même candidat yi ay combat de candidat yi 21 la ñu woon. oui mais Thierno Alassane kan la ci cibler Karim Wade rek la ci cibler lan mo la wax yow Fatou Abdou. Mm. que 20 yenen yi amu ci ñu bari ño xam dañu yor double nationalité. oui ça aussi c'est une question légitime. amu ci certitude. Mm. <coughs> kon lutax mu cibler que ça veut dire que lool moy lool moy problème de personne kon moom. foofu la jógee mais pas ci ñun ñun duñ àdduna dugaloon gënal bu fi dundaatoon mille ans du ñu tudd Thierno Alassane parce que amul dara luñu lié ak mom bokku mm-hmm. bokkuñu trajectoire bokku li liñu gëm bokku li liñu def bokku li ñuy taxawé on ne partage pas les mêmes valeurs. Mm-hmm. mais kon mom bu fekkee ne moo ñu tudd am ci droit nak parce que yoon moñu ko may ñun nous sommes légalistes. Mm-hmm. lu yoon may waay rek comme niko Montero waxee sànq. yoon moñu may ñu tax ñu demander à ce qu'on mette en place une commission d'enquête parlementaire. ci pour bobu deug fay lañ ci xaar. que hmm. kuñ ci mënti woo nga ñew nga sétal sa def nga wax li nga xam pour que rapidement ñu mëna def